j'espère que vous allez bien. Na tabro lahiya. Mun yi an kira da mu da juna. Dubin gaisuwa da fatan alheri duka inda kuke shuraren wannan shirin. Le vendredi 2 avril, c'était l'investiture du nouveau président de la République Mohamed Bazoum. Kan wannan kuma 'yan majalisar dokoki da shugaban nasu aka ɗora le lundi 22 mars passé. Pour vous dire, les nouvelles autorités nigériennes sont vraiment dans la place. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Jada Walid al notamment dans le secteur éducatif ou encore l'emploi des jeunes. Pour rappel, cette jeunesse représente 115% de la population nigérienne. Partant de tous ces engagements, que peut espérer la jeunesse de notre pays Matasan Niger suna eza shekara shekaru ou encore l'aboutissement de plusieurs décennies de lutte. On en parle à cette fada ce matin bien calé à la place à en plein centre-ville de Niamey, en face du ministère de l'Agriculture, avec Sidi Mohamed Hussein Sidi, ça va, tu vas bien Salut, ça va Yane, Yane, Yane, Yane, Yane, Yane, Yane, Yane, Yane, <laughs> Eh, merci d'être là nous sommes avec Kofi Dov du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme ça va Kofi ça va très bien madame ça va bien ce matin alhamdulillah super sois le bienvenu sur la FADA à cette FADA nous sommes avec Abbas Jubo USECOB le syndicat des enseignants contractuels du primaire ça va l'éducation est sur la place bonjour bonjour tu vas bien Abbas ça va ça va ça va ça fait un moment aussi hein effectivement ça fait un bail voilà sois le bienvenu nous sommes avec euh, la fleur qu'on a ce matin, la miss de notre fada, Madame Maimouna Garba de Mafari. Elle est une jeune entrepreneur qui bosse dans le cosmétique. Ça va, Maimouna Bonjour, bien. Tu vas bien Ça va. Dada Alhamdulillah. Et comme vous le savez, il n'y a pas de fada sans musique. Nous aurons de la musique, la rubrique préparée par Mr. Dondi et la chronique qui est l'affaire de Olivier. da sanin kowa ne matasar kasar mu suna fuskantar matsaloli da dama a bangaren ci gaban nasu kai hada rayuwarsu ma ta yau da kullum des années de revendication des jeunes qui n'ont pas échappé au nouveau président apparemment mushurari on Âgé de 61 ans, Bazou Mohamed est né à Bilabrim, région de Difa. Après ses études primaires et secondaires au Niger, il fréquenta l'université Cheikh Kantadiop de Dakar de 1979 à 1984 où il a obtenu sa maîtrise en philosophie politique et morale puis un diplôme d'études approfondies DEA, option logique et épistémologique. C'est ainsi que Bazou Mohamed devient enseignant et adhère au syndicat national des enseignants, puis il sera dans la délégation de l'Union des syndicats de travailleurs du Niger à la conférence nationale en 1991. Peu avant la conférence nationale, Bazoum Mohamed fait partie de ceux qui ont créé le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Tareya en décembre 1990 avec ses camarades dont le président de la République sortant Issoufou Mohamed. Cinq fois élu député au titre de la circonscription spéciale de Tasker, Bazoum Mohamed a également occupé plusieurs fonctions ministérielles, affaires étrangères, intérieures, etc. De confession musulmane, Bazou Mohamed est marié et père de quatre enfants. Renaissance Acte 3, consolidé et avancé, c'est l'intitulé de son programme. Les jeunes occupent une place de choix dans son programme dont voici quelques points saillants. L'accès de la manière continue, sans discrimination, aux connaissances et aux opportunités d'apprentissage de 5 millions de jeunes entre 5 et 35 ans. La participation de 3 millions de jeunes de 18 à 35 ans de la promotion du civisme et la citoyenneté à l'exercice démocratique du leadership politique et social. L'intégration de 500 000 jeunes filles et de jeunes hommes dans le circuit économique. Voilà, quand a takaice irin abubuwan da irin tsarin da aka shirya ma matasa. Ina jin kasiriya kaga wannan tsarin nashi. To madalla da farko na muku godiya da kuka gayyato mu a wannan hilin. domin mu tattauna bisa abin da shahi jadawali ko kuma matakan da shugaba wanda aka zaba mhm. sabon shugaba da aka zaba domin ya kama matasa mhm. sauyi ko kuma canji cikin ta yadda suke ciki mhm. don ka abu ne wanda mun ji daɗi da shi kuma mun muna tammaha za a yi shi to kun san mu muna bambanta abu biyu abin da ake hudi don za mu gani a ƙasa za mu gani in shugaban ƙasa wanda aka zaba zai cika wannan alƙawarin da ya doka ko kuma wannan abun da eh, zai ba matasa kamar aiki da sauransu kamar da kuka da su. To, bari in ji wajen ki maimuna. Ke ya kika ga wannan shirye-shiryen abubuwan da aka tsara ma matasan kasar ga? Eh gaskiya mun ji Rabia mun ji alkawulan da an ka doka. Muna fatan Allah ya sa a cika su. Dan an mm. cika su ba wai yaran da an ka doka kadai ba hatta kasan mu sai ta san lalle akwai masu kwazo da guzari a cikin lamarin. Don kuma wa'annan yaran da eh, in cin shi kamar su kenan in ya kamata a taimaka a ta har zuwa kololon taimako ya kamata a yi don mu ce za ta tashi mu ne da wa'anda ke tahi su ne za su tashi shi daɗin abu ba wai wa'anda aka taimaka ma ɗaya ƙasar ma kan ta tashi lalle an mata aiki To, yanzu dai cikin wannan jadawalin nashi ya kawo zancen education éducation de la jeune fille, relever les défis liés au secteur éducatif. Dans son programme de Renaissance Act 3, il ambitionne d'améliorer l'efficacité du système éducatif à tous les niveaux d'enseignement et de formation. Abbas, tu représentes aujourd'hui l'éducation parce que l'émission Ok, merci. Mm Studio Kalangu de nous avoir donné cette opportunité. Avant même euh, rentrer un peu dans le fond du débat, je j'aimerais faire un rappel. Mhm. D'abord, euh, le président Bazoum euh, était syndicaliste. Et il était du SNEN, e le premier syndicat du Niger. Donc euh, lui-même étant enseignant. Et récemment, il était le président du comité chargé des négociations des problèmes euh, du secteur éducatif. Donc, euh, je pense qu'il ah connaît très bien, il connaît le dossier, parfaitement Voilà, mm. le fond du problème de notre système euh, éducatif. Donc, a Saray, sarai et masalolin à akwai cikin education parce que shima et Mouchan local ne. Ouais. shima sont syndicalistes epi shine shigaba wanda ya shiga kungiya pour négocier les problèmes eh, da 'yan sandika eh. donc eh, mu da muka shauraran shi ma discours in shi kamar representant mu ne muke nan gani ki en train de nos problèmes. Tellement qu'il a bien détecté le fond des problèmes de notre il connaît le truc. C'est la première fois que l'on entend un enseignant <laughs> parler comme ça. <laughs> C'est incroyable. Euh, en tout cas, que nous, quand on le voyait parler, comment on voit notre leader syndical qui est en train de, parler, quoi. Donc, euh, vraiment, c'est din Sosei. importance Indayaba ya Parce biskan système éducatif Donc, Don euh, Donc, à quoi da yawa da doka da in Allah ya muna cewa kawai education in insha Allah ya zo daidai oh ya zo daidai don mm-hmm. muna jira mu gani shi yasa mu ma a wajen mu tunda mu discourse ya hara muka yi kira ga wajen mu masu karanta muka ce to kun ji abun da samu president din yake kenan kawai yanzu kawai a kama mishi ya samu ya cika alkawalin shi kwa to yanzu a cikin wannan jadawalin nashi mm-hmm. il a relevé également cinq défis majeurs Il s'agit du défi de l'offre éducative en général, de la gestion du flux des cycles. Kama a ce da ƙwarewan mushishika da taɓarɓarewa ilimi da yake so yaki. yaƙi bisa kanta l'insertion professionnelle mushina su la kwalkinkin de kansu kofi zan dawo gare ka <laughs> kofi tu es observateur de da shi yana cikin harkan karatu da toi également tu peux me donner ton avis par rapport à tout ce qu'il y a comme euh, programme à changer merci madame pour mhm. euh, votre question je commencerai par encourager le, tout nouveau président nous n'allons pas d'abord euh, le féliciter mais nous, allons l'encourager à relever mhm. d'innombrables défis qui s'opposent à lui mhm notamment euh, le défi de, dépolitiser l'administration, le défi de, revoir le système euh, éducatif, mhm. un système éducatif qui est vraiment aujourd'hui à terre. Et lui-même, euh, le président est conscient de ce problème. Et mhm. voilà pourquoi il dit que l'un de ses chevals de bataille sera l'éducation. Comment notamment maintenir la jeune fille le plus longtemps que possible à l'école à travers euh, le projet de création des, internats. Pour nous, c'est quand même euh, un projet, c'est vrai. Sous Kunche, cela avait existé, mais ça a disparu entre-temps. Mais pour nous, c'est quand même un courage qu'il prend, dire qu'il va réinstituer ces internats pour maintenir euh, la jeune fille. Autre chose, il met l'accent sur la responsabilité, où il disait que désormais, tout agent de l'État qui détourne les fonds publics sera responsable qui ne va plus se cacher derrière euh, la famille ou son parti. Sa famille, parti politique, machin, machin. Alors là, c'est quand même euh, un message d'espoir. Parce que nous savions que ceux qui a gangréné et empoisonné la vie dans ce pays, c'est le détournement de, deniers publics. On peut beau vouloir changer, on peut beau vouloir faire du Niger un paradis sur terre, mais tant qu'il y aura des détournements de deniers publics, tant que les fonds qui seront alloués à des projets n'iront pas à ces projets-là, je crois qu'on ne verra pas le bout du tunnel. Et On a quand même, euh, on sent l'espoir sur cette fada. Ce matin, les jeunes espèrent réellement yanzu za mu ci gaba da wannan hirar amma kusa wannan fara sai ana yara dan tsaye da haka dan za mu tahiya mu ji shi kuma don da cikin rubrikin tashi l'artiste exprime da wani artist ne hira et on se retrouve juste après Aya mes chers compatriotes. Sur tout l'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, connectés sur les radios partenaires du studio Kalangu à travers le Niger, merci pour votre marque de confiance, merci pour votre fidélité. L'artiste s'exprime, s'est déplacé du Niger au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, à la découverte d'un artiste burkinabé talentueux. La musique n'a pas de frontières. Aujourd'hui, vous allez découvrir du pur talent en termes fada sur cette émission. Massa c'est l'artiste Comment tu vas je te souhaite la bienvenue. Eh ben, tu m'as emporté. <laughs> et je sens aussi que tu as emporté nos amis, euh, n'est-ce pas, euh, téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette émission à travers nos six télévisions partenaires. Je sens aussi que tu as émerveillé euh, à travers donc, ta voix nos amis auditeurs auditrices qui kiffent cette émission à travers nos 46 radios partenaires. Je l'espère. Massan Deme, ok, je te connais très bien, mais ils doivent aussi en savoir sur l'artiste. Massandemi, qui se cache derrière Massandemi Alors déjà, merci à toi mon frère Dondi, merci au studio Kalango pour l'honneur. Déjà, Massa il faut retenir que Massa est un artiste musicien burkinabé, natif de Bobo Dioulasso, la capitale économique et culturelle du Burkina Faso. Massa est partagé dans un univers euh, musical qu'on appelle euh, folk Mandeng, C'est un mélange de blues, de jazz, de rock, de folk, de pop, tout ça influencé par le Mandeng. Et euh, à ce jour, Massa a un album produit sous le label MCS World Music. Alors voilà, c'est un peu ça l'univers Massa Massademe, Massa <laughs> album Tunga, un album de 10 titres. Ouais. Alors, on va découvrir cet album dans un deuxième angle. Ok. Mais dites-nous, Monsieur Massa, je peux te tutoyer Ouais, bien sûr. Dis-moi, Massa qu'est-ce qui a amené l'artiste à la chanson Déjà, je dirais que euh, je ne suis pas allé dans la chanson, c'est la chanson qui est venue à moi. D'accord. C'est elle qui m'a choisi. Comme moi alors <laughs> Le métier de l'animation m'a choisi Bien sûr. Ok. On est dedans, une famille euh, mandingue, a écouté la musique euh, depuis l'enfance. Mhm. Après, ça rentre dans le son, ça rentre dans les âmes et ça nous importe. Super. On a d'en faire. Tu, te rappelles un peu de quand est-ce que tu as commencé véritablement à chanter j'ai véritablement commencé à chanter euh, depuis la tendre enfance, mais bon, en interprétant des chansons que j'écoutais. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première interprétation C'est de ça que j'ai besoin sur cette émission. Tu te rappelles de la première chanson que tu as interprétée il y avait cela, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans Ah ouais, je, dirais c'est euh, une chanson de Salif Keita. Salif Keita. Une chanson du Cheval Blanc que j'aimais bien. Moi, je connais Non, pas bouger. ah ouais, c'est une chanson qui a Non, pas bouger. C'est pas pour rien que nous avons effectué des déplacement plus de 500 km pour te rencontrer et te permettre de t'exprimer, pour permettre à tous qui équipent cette émission à travers les régions du Niger de découvrir Massa Déné. Alors, Massa tu aimes la musique, euh, c'est quoi ton genre musical je l'ai dit en présentation, c'est euh, du folk manding, c'est un mélange oui. du jazz, de blues, de rock, de folk, de pop, mais, j'ai euh, influencé par le manding. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que, que tu veux véhiculer à travers le folk manding Qu'est-ce que toi tu veux C'est quoi ta touche euh, particulière Déjà, c'est une musique traditionnelle du okay. le mhm. Et voilà, on ne peut pas faire mieux que nous devons si on fait ce qu'on peut. Mhm. Mais déjà, c'est le message et euh, l'émotion qu'on y met qui est le plus important. Super. En plus. Alors, Massan Deme, ouais. un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Alors, je dirais à mes frères africains de toujours croire en ce qu'on fait, de s'accrocher, de jamais lâcher, de jamais abandonner. Il y a forcément le succès au bout du fil. Le succès au bout du fil. Retour à la FADA aujourd'hui installé au cœur du centre-ville de Niamey. Nous sommes à la place Anoutab avec le jeune yau hira da Hira wannan duk alƙawalin da shugaban ƙasa ya ɗauko yanzu dai ga sunan magabatan namu sabon sun iso. Sun shigo duk kowanne an ji an gane su. yanzu muna so mu ji duka wannan alkawarin da aka ɗauka ma matasa ya ne matasa suke ji hankalin nasu a kwance kamar sun kashe mutum ko dai ana nan da ana wasu wasi an yi ba a yi ba ile ke ya sa ala fada shi matan cikin wannan fadar muna tare da sidi muhammad na cng kofi dove du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme. Nous sommes avec Mossi de la JDP, nous sommes avec Abbas de l'USOCOM, nous sommes avec Madame Maimouna de Mafari, jeune entrepreneur dans le cosmétique. Eh, Il ambitionne également de solutionner la problématique de l'emploi da ta daɗe tana cima matasan ƙasar tuwo a ƙwarya. Ça sera à travers le renforcement des secteurs porteurs d'emploi, la transformation du monde rural et le développement du secteur privé. Maimuna, ya ita kashe wannan zancen? To gaskiya ya so samu ne da yake muna kaikai. Aha. Eh da yake da entrepreneurial kowa ya san ana yi abu ne hatta nif in ma in zaka yi hankali ne. Mu dai na baya mun ga ya sauke mu na yin nif. Eh. Sai bon. Yanzu abinda muke nan ga hange zuwa gaba a compagnement ba a zo a tura mutane su yi takarda ba ba a zo a ce mutane su yi entrepreneur ba yadda ya faɗi za su ci gaba da taimaka ma wa'annan yara kenan ya kamata a ce duk abin da zai sauwaƙe musu na accompaniment ne da laifank dan rabi abin da sani ni kasan can accompaniment yanzu mhm. kamar shan entrepreneur ne zai tashi gashi da ej ya duk formality komai ya cika amma babban tashi hankalin an zo wajen banki ya samu fon ya samu matsala sai kishi an ce sai ya kawo parcel sai ya kawo wata mota shi in akwai shi in akwai shi bai sai da ya sai juya kenan ina son gwamnati ta diba in akwai wani abu wani kaso da za a warewa saboda wa'anda ke da ide in na entrepreneur kenan ya kamata a duba a ga wane ne ide kin shi lalle bai kai sai ya ta banki ba bankin an ce gaskiya ana samun matsala don ana dora eh. musu dokokin da zai hin karhin su mai in an ce a cikin baitulman in gwamnati ana iya samun wannan kaso da an ka ashe saboda just ai a kumfanin wa'annan bayu ma eh, bayan Allah masu ide don samu su tallafa mu tattalin arziki sektar prive kenan ya kamata a yi wannan. To kun shi dai ita dai wannan sektar prive ta kana ta sai da kai kuma sai energy aka ce jeune za su samu amfulwa za a taimaka kai har na karkara ma aka ce duka za a gyara komai ya kaga wannan zancen. Zancen ne kin san kamar da na faɗa miki kamar dan ganin hadari dakka yi gaugawa kina ko? <laughs> muna so mu mm. ga a kas kare aka yi biki gidan su sai ya ga a kas. Yau kai a ganin ka yana yiwuwa. Mu muna so yana yiwa ai an so yana yiwa ko an so kin san akwai abin da ake cewa a turanci eh. volunteer politics kamar in eh. akwai so da raida kuma da yiwa ana yiwi amma kuma da a zo a yi ta tacar baki a yi ta siyasa a yi ta zance ba ga a kasu ba mu ku kanmu shine kamar yadda wannan yalwa ta faɗi mhm. matasa yau an sauƙaƙe musu yin nif yin takardu na na girka wannan kungiyoyi na kananan eh, kamfanoni amma ba shi bane matsala mm. yau in kana da kungiya kana da takardu to ya ne za ta aiki dole sai da an ba ku wani su yancin garan-garan wanda ya kamata ku a yi a kamfanin ka su ya kamata a ce gwamnati ta samu matasa ta ɗauki yaunin bashin da bankoki kamata su ba matasa ta ɗauki su yauni tunda matasa da suka yi da karatu ko kuma wanda ba da ma abin yi ya kamata a ce gwamnati ta samu musu sauki a cikin hayoyin da ya kamata domin su ma su rike kansu in ba su rike kansu ba wasu abubuwa ko kuma wani tashi hankali ko kuma wata tarzoma za su iya shigar ta amma ya kamata a ce gwamnati cikin tsarin ta a ce eh, wannan kungiyoyin da aka girka a samu su rayu su yi aiki Merci bien Sidi. Moi moi, c'est justement abubuwan da aka tsara ma il est aussi question de l'accès pour les jeunes aux opportunités d'apprentissage, de y Aïki, aiki. Kai, banda wannan création kin chargé de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, l'adoption d'une politique nationale de la jeunesse et de son plan stratégique, la création d'un fonds national de développement de la jeunesse. C'est ambitieux quand même. <laughs> ok, Rabi, merci. C'est un gros terrain, ça. En, fait, c'est vrai, si on se réfère euh, au programme politique du président élu, euh, M. Mohamed Bazoum, euh, c'est vrai que toutes les solutions ont été prévues. Il y a toutes les solutions vraiment pour que la jeunesse se voit inclue, en tout cas dans la gestion du bien public. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas se fier à 100% au programme politique. On attend il faut les philosophes disent, pour connaître l'homme, il faut le voir agir. Donc là, nous, nous allons l'attendre. Nous allons voir sa réaction, nous allons voir sa façon de faire d'abord, avant de, de le critiquer, avant, avant de dire quoi que ce soit sur lui. Mais quand même, euh, l'espoir est là. L'espoir est là de la mesure où on a vu comment le nouveau gouvernement est composé euh, de quarantaine de deux ministres. Aujourd'hui, on est revenu à une trentaine de ministres. Moi, je pense que c'est une avancée politique qu'il faudrait saluer d'abord. Euh, parce que bon, ça veut dire que la caisse publique va un peu souffler. <laughs> Au moins, cela, ça va. si vous prenez le côté éducatif aussi, euh, il a prévu pas mal de réformes. Donc, on peut citer aussi, par exemple, euh, même pour les instituteurs adjoints, il dit que bon, là, ça ne serait plus avec le diplôme de BPC. ça serait avec les bac. Donc là, ça veut dire que dans le domaine éducatif, on peut espérer avoir des enseignants de qualité. Là, c'est aussi euh, une action qu'il faudrait s'allier et qu'il faudrait dire euh, si elle est appliquée d'abord. Beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir euh, pour. Justement, dans son, son application reste autre chose encore. Parce que ben, Aujourd'hui, c'est vrai, on a beaucoup de, de, bacheliers qui sont là et qui sont prêts même à partir enseigner parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a, pas de, pas de travail. Et Moindre euh, opportunité, ils sont prêts à la saisir. Même si ça ne concorde pas avec leur ambition, ils sont prêts vraiment. Sont prêts saisir. Dans le domaine de l'entrepreneuriat également, il a prévu euh, un fonds de garantie hein, qui consistait à donner des, prêts aux jeunes entrepreneurs et les, les appuyer en tout cas. Là aussi, c'est une initiative, c'est un point mais quand même, on ne peut pas jeter des fleurs pour le moment. Il faudrait attendre voir la réalisation vraiment de, de ces points. Super. On attend de voir encore. Oui. Ça, c'est une phrase qui revient souvent sur la FADA. Oui. À cette FADA, nous sommes avec Idrissa. Idrissa, tu peux t'approcher Ça va, Idrissa Tu vas bien je vais très bien et vous Ça va. On peut dire que la diaspora, la jeunesse nigérienne de la diaspora est dans la place également, c'est ça, non Exactement. Ça va, tu peux te présenter à nos auditeurs Oui, euh, du coup, moi, je suis euh, Idriss Laweli Abdou, donc euh, je suis nigérien, mais vivant, enfin résident à Toulouse. Donc euh, je suis euh, membre actif de la diaspora, je dirais, parce que je suis, j'ai cofondé et préside l'association des Nigériens de Toulouse. Super, j'espère que Hausa m'a bace beaucoup. Ah bah toi tu. Akwai Hausa ko. To Idrissa muna so mu san kun ah, san da zaman turai on sait jamais. Hein. <laughs> Voilà, que Idrissa muna so mu san ya kake ganin duka wannan jadawalin da ko in ci alƙawalukan da sabon shugaban kasa ya ɗaukan ma matasa musamman fuskan fannin education kai ya kake ganin wannan abu to ni da yanda na ji abin da ya kama akwai um, à ce quoi espoir akwai okay. espoir voir tout le monde, ni quand kaina ina cikin education entrepreneur ni cikin education donc nous, euh, ni un un karatu post bac donc euh, nous on accompagne euh, les élèves à savoir ce qu'ils veulent faire après le bac. Donc à euh, euh, le coaching euh, investiture ya espoir on espère que en tout cas on sait nous tous en tout cas que l'éducation aujourd'hui elle, est en mal et qu'il faut faire quelque chose. Elle est au plus mal. Et je pense que beaucoup d'entre nous jeunes, j'ai entendu aussi beaucoup d'intervenants le dire, on s'est retrouvé un peu dans ce qu'ils disaient. Donc on, on, a espoir parce que du coup on pense que l'investissement qui sera fait on attend de voir quand même, hein. on attend de voir parce que pour l'instant ce sont des promesses, mais on espère en tout cas pouvoir nous-mêmes contribuer par les actions si on nous sollicite, nous la diaspora je veux dire, parce qu'on a parlé de restructuration du programme, nous on a fait un peu, on va dire, on a beaucoup qui ont fait beaucoup de grandes écoles, beaucoup de grands parcours, on peut contribuer à donner une vision ou ce que nous, en tout cas on a retenu de ce qu'on a mhm. appris ailleurs. Ok, super. <laughs> Donc les jeunes, ils sont aussi prêts accompagner. Euh, ça, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on ouvre des portes et qu'on soit là. Hein. Exactement, <laughs> exactement. Il faut qu'on soit prêt à. On est prêt à porter nos, euh, nos, mêmes, nos mains dans les cambouis, comme on dit, et participer à la construction. Euh, et, bénévolement, même, je peux le dire, hein, parce que souvent les gens pensent que nous, on a besoin de venir être payés. Mais beaucoup de jeunes, je connais beaucoup de doctorants beaucoup de jeunes qui ont fait des très grandes, longues études, qui sont prêts à venir donner des cours gratuitement, par exemple. Ces jeunes-là peuvent être mis à contribution et ils sont vraiment partants pour venir tout de suite si on les appelle. Ça le fait alors. <laughs> Vraiment, il y a de l'espoir. Les jeunes, en tout cas ceux qu'on a reçus ici sur cette falaise qui représentent euh, pas mal de secteurs. Nous avons un invité qu'on n'a pas. On va revenir à lui. On va faire un tour du côté de l'oncle Sam cette fois-ci pour la musique. On va se retrouver juste après Before You Go de Lewis Capaldi. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner light, I were the words that I needed to say. When you heard under the surface. like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. fada a pray before you go za mu ci gaba da wannan shirin namu da muka dora a na unguwar news wannan plastikin da ake cewa plus wifi inda matasa suke haduwa yau na muka dora fada muna nan muna hira tare da matasan wanda muka gayyato bisa kan waɗannan alƙawallukan da sabon shugaban kasa ya ɗaukan ma matasa bisa kan fannin karatu bisa kan fannin neman samun aiki bisa kan fannin ayyukan hannu Comment ils appréhendent eh, ce changement eh, ce vent de changement qui souffle positif aujourd'hui à cette fada hein, nous sommes avec Abbas Jubo Isokab, nous sommes avec madame Maimouna Garba de Mafari jeune entrepreneur nous sommes avec euh, Mossi de la GDP, l'association des jeunes politologues et diplomates. Nous sommes avec Kofi Dov, nous étions avec Sid qui vient juste de partir et avec monsieur mine de quelle structure euh, RGSD. RGSD, vous êtes dans euh, Je suis juriste de formation, donc euh, RGSD c'est une association des jeunes pour la solidarité et le développement. Lamine, nous fondons l'espoir que le discours que le président de la République a tenu lors de son investiture que ce ne sera pas un discours de trop ou un discours de plus. Ce qui me réconforte dans ce discours, on a coutume de dire que euh, la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme politique pense aux prochaines élections et l'homme d'État pense à la prochaine génération. Et je crois que le président Bazoum, en mettant l'accent sur l'éducation, montre qu'il est un homme d'État. Parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir d'un pays sans l'éducation. Et on ne peut pas exclure du moment où on parle de, l'éducation, ça veut dire qu'on euh, veut bien former les jeunes pour l'avenir. Parce qu'une jeunesse mal formée, une jeunesse mal instruite, vous avez la catastrophe dans les 10 ou les 15 années à venir. Et donc notre espoir, c'est qu'on puisse mettre l'accent sur l'éducation, sur l'instruction, pour avoir un Niger émergent. Ah, vraiment Nous, aujourd'hui, notre problème, c'est surtout, c'est même pas les paiements des pécules à terme échus, les autres problèmes. Nous, c'est le statut

da taimakon kuma hallau ita wannan juneskin matasa ɗazu na yi zancen a ba da bashi a sauƙaƙe hanyar bashi saura daga cikinmu mata mu mu sai kayan ɗaki maza saura su su kai sadaki maimakon an ce mun mutum mu yi entrepreneuria kuma kayan a gewe shuru babu kenan ya kamata an gashi man kindu shakku ta ana son a shi shi gwamnati ya cika alkawalin shi mukin ma mu cika namu alkawalin na ɗaya na biyu kukan da nake son in kai hallau bisa kan internet da an ce za a yi saboda mata A zuwan ɗan uwa ka can security ni kuma hallau akwai abin nake so in cika shine kamar a yi ƙoƙarin a ɗauko hukunci kwakwara bisa kan duk wanda zai kokarin ya lalata rayuwar ɗiya mace a milieu scolaire je parle en connaissance de cause saboda na yi zaman karanta su a cikin daji uwayen ɗiya da yawa yara suna da karatu rabiya na fitar hankali ɗiya mace me ni ka hin illala ba mu tai vacancy mu kuma sun in sha'anci a arma da ɗiya saboda misal sace ai suna tsoron ka a ta bata musu ɗiyan su to yanzu an yi interna amma uwaye hannun su ga gaba ka a ta rayuwar ɗiyan su lalace kenan an ka ce a tamna tsakuwa ha don a ta ji tsoro a samu wa'anda za su tsaitsayin daka duk wanda ya kuskure ya lalata rayuwar ɗiya mace a miliyoyin iskola a ɗauki hukunci kwakwara gare shi don kuwa nan zai rasu ran uwayen ɗiya su sani sani lalle an san mutuncin ɗiya mace ana kare mata haƙƙinta. Ça aussi une maman qui parle on dirait bien. biyan. Voilà to Mosi kai zan karewa ina jin ka. Euh, moi j'ai deux choses deux choses seulement à dire. Mm La première chose c'est J'espère sincèrement que le président va fonder sa gouvernance sur la base d'une rigueur en tout cas. Euh, et deuxièmement, j'espère du nouveau président la rétribution des, postes sur la base d'un euh, des mérites. personnel. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le nouveau gouvernement. C'est tout ce qu'on souhaite. Super. Merci bien. Yanzu, comme il a officiellement de coup, amuna mon fada, za mu zuwa mu ji shi kuma Olivier tu chronique connais Charlo, mi yazo da Et on se retrouve juste après. bonnes affaires se font en temps de crise. La plupart des entrepreneurs les savent et le classement Forbes 2021 le confirme encore plus. Ce soir, nous allons parler de Stéphane Bancel, le patron du laboratoire Moderna, un des laboratoires qui fait la production et la commercialisation du vaccin anti-Covid. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir et bienvenue dans cette chronique. Ce dont nous allons parler ce soir dans la chronique est carrément financière. Depuis 2020 car a commencé la crise sanitaire liée au Covid-19, les économies de plusieurs pays du monde se sont affaiblies puisque les entrées et sorties des personnes n'étaient plus garanties. Plusieurs entreprises ont eu recours à des mesures drastiques comme le licenciement et les congés partiels. Au plus fort de la crise, il a fallu l'intervention de certains États pour aider les entreprises à contenir les effets de la crise. En général, le coronavirus a fait du mal à l'économie mondiale. Mais le 6 avril, un article paru sur le site du journal français Le Parisien révèle que la plus grosse entrée au classement Forbes, ce classement qui révèle les plus riches de la planète, est à mettre à l'actif de monsieur Stéphane Bancel, le président directeur général de Moderna, qui détient 8% du laboratoire pharmaceutique en pointe les vaccins du Covid. Avec seulement 8% du capital de son entreprise Moderna, le français fait son entrée dans le siècle très fermé des milliardaires. Et il entre directement à la 23e place du classement Forbes avec une fortune estimée à 3,5 milliards d'euros. Donc, en conclusion, même en temps de pandémie, en temps de crise, malgré que le monde financier se trouve dans une situation compliquée, il y a de ces entrepreneurs qui ont réussi à surfer sur la crise, dépasser les situations difficiles et quand même augmenter leur rentabilité. Alors maintenant que vous le savez que le coronavirus c'est aussi une opportunité de se faire de l'argent, enfin beaucoup d'argent, comme le patron de Moderna, eh bien moi, je nous souhaite bonne chance à tous et n'oublions pas que malgré les difficultés, il y a aussi de l'espoir. Merci Olivier, merci euh, d'accompagner la fada avec tes chroniques toujours euh, aussi euh, éditives. C'est la fin de tout ça la fada français Hausa. On va se dire au revoir. Basakan wannan fada ta zo da karshe mun yi hira tare da matasa kuma kowanne ya bada ra'ayin shi basakan wannan alƙawari da dama wanda sabon shugaban kasa ya ɗaukan ma matasan Niger sun yaba da alƙawarin da aka dauka yanzu da ilirosar da tusa ki ana jiran application ki ana jiran a gani wannan abin ya tabbata a huta lafiya a mu na fada mais on va pas dire au revoir sans souhaiter joyeux anniversaire au studio Kalangu qui fête ses 5 ans. 5 ans d'information, c'est le studio Kalangu. On se dit au revoir.